Fait que, du nawet bu dee nawet moom boko, amul ndox amul courant amul tali dara mais waxuma nak les aspects importants de l'instauration de la paix en Casamance cela fait plus de 30 ans 40 ans 41 ans qu'il y a le désordre en Casamance je disais quand j'étais ministre aux affaires étrangères je suis allé parce que nous gérait géré le centre anti-mine je suis allé en visite fofu. gis xalé yi s'en tanki dag. ay xalé yu jigéen sen loxo d'ag. mais nga xamni ne ñii adina tukki na ko ci souf ci ko ci may pousse pousse day melna yalla ñew ci mom. et je disais et les cassettes sont là on était en 2012 je disais 30 ans plus tard 30 ans trop tard si nous devions quitter le pouvoir et laisser le problème en Casamance sans solution, nous aurons fondamentalement échoué. Je l'ai dit. Et je continue encore d'y croire. L'ordre doit doy chantier ak wàññi dundubi bi ak dem beeg dikk bi lijjanti ak de le mandat. le mandat c'est son affaire moi je l'ai entendu dire qu'il ne fera pas de troisième mandat Nous, ñëpp on l'a entendu dire ça. Je l'ai entendu dire, on me demande de regarder la caméra, je l'ai entendu dire que c'est de son fait et de son gré qu'il a fait introduire dans la Constitution la limitation du mandat à deux. ñu mais Bataille, tey kenn ci ñun troisième mandat même si tout semble s'y prêter Nous, nag la ñu jàpp Nous dañ koy xaar ba la su boobaa waa Sénégal daañu def lañu ñu defoon xarnu bi xeyna du lañu yoron waye même chose comme mom mo wax li bind ko urbi et orbi mu wër adina yeb ne joy doot fi am dakal nako ci senegal nañ ko jappé loolu on le prend au mot. yàggatul laaj nañ ko pour mu léralat nak mu né waxatuma nii wii nii noonu. mais pourquoi ngeen di ko laaj parce que mom néna deux mandats doot fi amati wax na ko na ko ci constitution nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs amul ablay, amul ken, ken laor. du ken ko xam ne defati ñaari mandat yu tegaloo xamuñu mandat bu njëkk bi ñaata at la ba ñaata at la ce n'est pas notre problème c'est le mandat qui nous intéresse. La durée. il ma a vraiment. allez-y allez-y non mais ça fait 20 ans que vous l'avez oui oui mais il n'a pas fini <laughs> parce qu'il réserve il réserve quelque chose. <laughs> En munitions. pour dire aux gens <laughs> qu'à un moment j'avais perdu la tête. moi je pense que vraiment beaucoup hmm. plus sérieusement que je tiens le président à ses mots dès lors qu'il a voulu inscrire dans la constitution que nul ne peut plus faire nul ne peut faire plus de deux mandats à la consécutif, cela me suffit amplement. Qu'ils reviennent maintenant le répéter, vraiment, il faut le tenir à ses mots et puis le laisser tranquille. Quoi. Juste un complément d'info par rapport à Awa Aïcha may naa man dama bëgg ñëw rek ci walum compagnonnage bi sank yaa ngi doon wax naan ñi and ak Macky Sall ba muy door ak itam ñeneen ñu ñëw ko wër tay gis nañ ne and naa ak président Idrissa Seck loolu nekkoon na yow loo loo bëggoon ndax da nga jàppoon ne ay nit ñu xamante fasante ko lëre bu yàgg am na sax ñu ne and bi li nekk ci suuf les raisons de ces retrouvailles ne sont pas sincères léegi ci weneen wàll ñu gis ñoo xamante ne ñu ngi woon ci wetam ñu mel ni Aminata Touré comme yow Euh, maanaam